ka manoma noma ku kanku irmir salati dan kalaira hey Bonsoir et bienvenue sur Tous Salafada, votre émission hebdomadaire consacrée à la jeunesse nigérienne. Cette semaine, nous parlons des jardiniers face à la montée des eaux du fleuve Niger. Beaucoup de riverains de ce cours d'eau de la région de Niamey, mais aussi de l'ouest du pays, vivent des activités de maraissage le long des berges du fleuve. Cette activité génératrice de revenus est cependant soumise aux aléas climatiques avec deux périodes de crue du fleuve. La première que les hydrologues appellent la crue locale qui intervient pendant la saison des pluies et la seconde durant la saison forte, liée aux précipitations tombées dans le haut bassin en Guinée-Conakry où le fleuve Niger prend sa source en janvier dernier. La pluie a occasionné plusieurs dégâts au niveau des rizières nigériennes. C'est le cas des rizières de Saga et de Sadia dans les communes 4 et 5 de Niamey. C'est un article du studio Kalangou. la situation a conduit à une punerie du riz local en parlant de cette pluie. M. Sidi Koumoussa, nous, président de la coopérative Rizicole de Saga, reconnaît au micro du studio Kalangou que ça a causé beaucoup de dégâts sur les plans de riz, hormis se par la ville. L'eau a englouti tous les plants jusqu'au goudron, a-t-il expliqué. Selon le même article, le ministère de l'Agriculture a épaulé ses jardins avec des semences et la FICROPI, Fédération des unions et coopératives producteurs de riz, a fourni en engrais. vous souviendrez en 2012. La cote d'alerte a dépassé le niveau orange selon les techniciens de l'autorité du bassin du Niger qui ont alerté les autorités afin que des mesures soient prises pour éviter une catastrophe face aux multiples conséquences de cette situation sur ceux qui vivent des abords du fleuve, à savoir les jardins. Il importe d'agir que la montée des eaux n'affecte pas les activités saisonnières et la production dont l'essentiel des cultures de contre-saison pratiquées par les exploitants sont la salade les choux et la tomate et qui font partie de l'alimentation locale des rivières. Comment s'y prendre à présent Quelle action pour quelle solution Comment vous voyez l'avenir de votre activité en période froide Nous recoupons notre interrogation autour d'un sujet principal, la montée des eaux du fleuve. Comment les jeunes jardiniers s'adaptent-ils Tous à la fada de ce dimanche 28 novembre débattra donc de ce thème. Vous le savez déjà, 80 06 88 54. C'est le numéro à enregistrer si vous voulez intervenir sur cette émission. Vous pouvez ainsi nous envoyer vos questions, vos commentaires. Vous pouvez aussi recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp, en envoyant jeune toujours au 80 06 88 54. Si la technique est opérationnelle, vous le savez aussi, tous à la fada, c'est 35 minutes d'intermède musicaux. L'artiste chocolaté s'exprimera sur cette émission. Mr. Olivier va sans nous parler du buzz de la semaine. De quoi parlera donc le texte Interrogation. Tout de suite, décollage imminent. Localisation géographique. vois ça va Ça va, Matagam. Manga Neo. Corniche Yantala corniche Kornishiantala. corniche ok d'accord irgo misali ga jardin era oh ah abdourajit ça va bien ouais ça va matsuro voilà alhamdulillah émission hmm. je suis aussi avec Ismaël de Save Environnement c'est notre euh, expert quand on parle de l'environnement, il est sollicité à tout moment. L'autre représente les jardiniers, il est au cœur des problèmes et l'autre a certainement aussi des avis à partager pour qu'ensemble nous puissions sauver la face, comme on dit. Oui, bonjour Dondi. Ça va, tout va bien Alhamdulillah, ça va. Tu vas bien Oui, ça va. Super, donc on te souhaite la bienvenue. Merci pour l'invitation. La montée des eaux du fleuve, comment les jeunes jardiniers s'adaptent-ils C'est notre sujet du jour, cher ami auditeur. Rachid Moukela, Manta Sintinane Akan haro go garanwa eske aran ngi famandir se matakan no haro na aran wa da alale kanya a himanda hal bari furbatora o kayan aiwo tungi sabanda dai giti sanga imsambu 2012 ga kason aro ngwayen kayan bai giti zam chorin cine newo SNU foye nigele ko banda donc nodin agonda dig fo barrière fo kayite ga haro kosarai kan na musika donc barrière din kosarai yirodin kan haro furo haro na barrière din bogu a furga ka kalaira 2012 follon kara dai kan jawo furo ngu bumbu haro furga lala 2020 ay kan na haro nirin wada gabi ngno ti newo in kalfo yan bogu kan himngi cina kan yan irambule mm. nodin ramblage din haro won nongono nodin donc har zuru a singa fonde zenita patkan mm. te kulu ngit kan ramble kala bene mm. haro su dugu zigi ga kano din mm. haro fur kalaira saro halman ha irkan da saro din kan taran se da ton ton kain fo misali ga dirto to jin kain fo no er megto ismail save environnement do ismail Peut-on dire que la crue noire se manifeste euh, de la même manière toutes les années parce que vous êtes expert Expert, je pense que c'est un peu trop dit. Mhm. Moi, je préfère dire euh, simple activiste. Ok. Ismaël, nous vous écoutons. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les catastrophes naturelles pour prévenir, il faut connaître les causes. Ça, c'est une évidence. Mhm. Euh, et les causes aujourd'hui ne sont plus choses cachées. C'est des choses que nous voyons à l'œil nu. Euh, parmi ces causes, euh, je crois qu'on peut citer le premier, qui est le plus préoccupant d'ailleurs, le changement climatique. Aujourd'hui, le changement climatique s'avère de plus en plus grave. Les impacts sont de plus en plus importants est visible à travers le monde et notamment le Niger. Parmi euh, euh, les effets néfastes du changement climatique, il y a surtout la perte des forêts, il y a euh, les sécheresses hydriques et la disparition de la biodiversité. bref, les conséquences du changement climatique sont nombreuses, multiples et multiformes. Abdurrashid, sonda Ismail Oh. Sanga problème mum bo bon aran wo jiro kan harona aran wa est ce que anan ginga irno misali ga estimation dimma kancina hasaroti aran se dimma kancina hasarotir er se hasaro an jardin ay tushe amma ilala kwara na tushe da gabi jardin ay ramat kinano a naran tushe da a naran jardin ay misali ya kukan gwaran siyan wala walarin duwan kan yaran dugufa ba a nime a kalkan haro fata nuno borkul yegi yengo nongora to 2020 er dimat kancana himanda 2020 haro ya halda ga fatta kadde chat est ce que arna haro kano wolmo ara hinde sur ara mandu hina kul karan kan kal ir koygu nongu yam feri banda hmm. haro ranir furgu ko yam feri banda haro kancin haro kan a furgu to kan wato kancin ago isago zumbu ko kan furkala ra sigi zumbu kala ir koy banda bogu fatir mo irnon te er to l'artiste s'exprime est une rubrique de l'émission Tous à la Fada cette semaine nous allons donc permettre à Chocolaté de s'exprimer dans ce sens la Goa elle nous vient de la Dream Zone tout sur Chocolaté c'est tout de suite et maintenant sur l'émission Tous à la Fada Monsieur windi windi toga siri siri zamde dunu walagin cheri cheri sur cette émission chocolaté Dondi la machine te souhaite la bienvenue sur cette émission une fois de plus. Ça va bien, ma soeur Oui, ça va très bien. Tu es en forme aujourd'hui, tu n'es pas là ah, pour me déchirer ou m'arracher. Ah non, non, non, non, non. Ça, va, Je suis en sécurité Oui, bien sûr. On va parler aujourd'hui de ta carrière. On va parler de ton premier single. On va parler de ton deuxième single. On va parler de tes projets, de tout ce qui va avec ta musique. Parlons de tes débuts. Il y a cela déjà trois ans, tu as commencé à faire la musique au Niger. N'est-ce pas Ils font le Sintinda, chocolaté. J'ai commencé par euh, faire euh, un concours de, chant. Concours de chant au Dimat ouais. Eh, tremplin jeune talent au Niger. Tremplin jeune talent, camp Mr. Wow, oui, Art Record. Record. Ah. J'ai participé dedans. Et puis voilà, bon, ça n'a pas été facile en tout cas. Uh-huh. Je suis sortie lauréate. Wow Donc, tremplin jeune talent au nom de Kandinin. Voilà. Musico Bumbo Exactement. Chocolaté karan pranjan talan wadin ifo non presente kan nan te laureate oh, Au na baram kan dasa ok c'est un son <laughs> c'est un son reggae là que j'avais fait c'est quoi le son reggae là que tu as fait ok ok Beaucoup de fausses familles, je les vois tous, on se connaît tous, mais quand c'est croise, c'est sourire Mais au fond du cœur, c'est pas ça. Mais pourquoi faire semblant d'aimer ton prochain l'œil que c'est pas ça Je suis de bar à ma vie, moi je suis de gagne, gagne ma vie. On m'appelle pour ta vie, parce que je vois ces imbéciles, ces jaloux, ces hypocrites, ils sont toujours là. Et tu vois les putas, putas, putas <laughs> chocolaté. Non, la meuf, je la kiffe. Hein. Elle a les flots, je vous dis, elle assure qu'on pas possible. Eh, c'est pas de la blague, elle est venue pour <laughs> déménager. Chocolaté. Ça, c'était le tremplin Jeune Talent. Mhm. Après, maintenant, le concours, puisque tu mhm. as été lauréate, mhm. qu'est-ce que tu as fait C'était quoi ta première sortie, partant déjà du tremplin Après le tremplin, qu'est-ce que tu nous as livré Ok. Euh, j'ai sorti, comment dire? J'ai un son là avec, le, avec son clip. Le titre c'est Peur de moi. Peur de toi Ouais, tu as peur de moi. Ok, moi Wesh. Ah, que j'ai peur de toi Ah, un hein. Ah. <laughs> ok, d'accord. Donc, peur de temps, non cas. Tu as fait sortir peur de toi. Wesh. Ok, d'accord. Et peur de toi, c'était quoi le truc hein? C'est pour un peu effrayer euh, ouais, pour les filles ou bien les mecs euh, Ou tout le monde Tout le monde. Tout le monde. Moi, je fraye tout le monde. Moi, j'agresse. Tu es agressif, tu es une lionne. <laughs> Allah, Agagnas. <laughs> <laughs> Ok, d'accord. Peur de moi. Mhm. Ok. En dehors de ça, qu'est-ce que tu nous as encore livré en et, et, euh, euh, aussi le remix de Kaldasam. Kaldasam Ouais, le son à Barakina. Ouais, ouais, j'aimerais en voir un peu quelques flots de ce son-là, le remix que tu as fait, s'il te plaît, allez sur cette émission, on y va. <laughs> ok. Ok. Aïbema Tabai Mazuru. Uh-huh. Aïbema Tabai Motogu. Ok. Kanine. <laughs> Ah, j'ai oublié. <laughs> Tabago Polo, on est. Non, non, non, tu vas pas non, tu veux pas le faire. J'ai oublié. Tu veux pas le faire, tu veux pas le faire, tu veux pas le faire. Et pourquoi cette inspiration Pourquoi tu l'as fait là C'était osé. Bon, hein, bah, en fait, non, non, non, non. Quand j'avais écouté le son, au fait, euh, euh, celui de Barakina, je me suis dit, ah, mais le gars là, il a clashé les filles, hein. Ouais. Mais pas comment Ah ouais, et toi, tu as répliqué Ouais, j'ai appliqué, et puis voilà. Je suis parti au studio, du coup. C'est sur place même que j'avais fait même la Lui, Barakina, il a attaqué un peu les meufs. moi aussi, j'ai attaqué les meufs. attaqué l'évêque. Ouais.

chose pour laquelle on t'a sollicité un son qui va sortir avec Marie Diallo. Marie Diallo, on l'a une fois reçue sur cette émission pour parler justement d'elle. Uh-huh. Alors, c'est quoi ce, ce, son-là Parce que Ayou Noir en Fournda. Expliquez-moi, il faut nos types, il faut nos sons au Nikangabaga. Ouais, le titre c'est Inaski. Inaski Mais Noir en On est à leur recherche au Mais, eux. Eux. Les mecs Quand ils sont micro. Ah. Ouais. Il y a de nous. C'est dis RC. Ah, mon dieu, là. Oui, tu es ça. Mais tu es ici, Borera. <laughs> Ah bon, je sais pas, peut-être. Hein. <laughs> Donc, le son est déjà sorti. Ouais. Samedi, noir en Ouais, samedi, on est en 4 Ton son a une exclusivité, pas émission. Okay. Donc, son au dernier banda, 9 ans, voilà. D'accord. Il faut demander. Nous couple à Gorgon, voilà. Ouais, ouais. Dinga, sambe, c'est bito, bon, qu'il faut. Après, nous, nos messages de fin. Sambe, c'est bito, qu'il faut. in tada musu hankali in raina musu hankali in koya musu hankali a lokacin na nace kuma ba wata jaruma <laughs> kai haba ba ni da kirkin ni kuma ba ni da kumya ni haka lokacin na nake lokacin na nake nake lokacin na nake haka lokacin na nake kai là où elle est dingue au fait, elle n'atteint même pas le boucle, elle n'atteint même pas le beat, elle commence par papa puis elle récupère le beat, elle l'amène, elle lui donne une elle fait dire qu'elle a envie de faire. Ah j'aime bien cette go. Nous sommes à la fin. Nous nous croyons en toi, moi je crois en toi. Mhm. Ok. Moi je sais que la musique a de l'avenir, je sais que tu as de l'avenir dans ce mouvement hip hop du Niger. Ok d'accord. Euh, je t'encourage beaucoup. Merci. L'instant maintenant est solennel. Tu as une minute de temps d'antenne, mhm. un message très très fort un message de soutien. Si tu as une page qui est déjà disponible, un compte YouTube, tout ce que tu voulais dire pour faire ta propre promotion sur cette émission, faire la promotion de la musique nigérienne, ben dit te donne la possibilité de le faire. en est allé Ok, bon. Pour commencer, allez-y vous abonner à ma page Facebook. Euh, le nom, c'est tout simplement Chocolaté Officiel. comment on l'entend. Ouais, h o l a t e ok, ok. Voilà, T-E, Chocolaté Officiel. Chocolaté Officiel. Tu es sur ma chaîne YouTube aussi chocolaté tout court. S-H-O-K-O-L-A-Grand T. Voilà. Donc, et du puis, coup, abonnez-vous. Partagez, partagez, partagez. Partagez, le toute dernière sortie, en fait. La toute dernière sortie. D'accord. Maintenant, chocolaté, message pour nous c'est fan, Pour que Niger au rap, <laughs> ok. Bon, message auquel il tourne du dos que vraiment, il y a bagaille, quoi. me dis a quoi. Vraiment, parce que il y a il s'ingir bon gars, quoi. Il s'incondir bon, quoi. Demanti, il tout l'heure quoi. Hmm. Donc, vraiment, on a besoin de, de l'aide. Et aussi, je remercie aussi mes fans. Et quand toujours il est bandé, voilà, appel message, merci beaucoup infiniment. Et que voilà, on est ensemble, quoi. Mata. A À l'instant T, c'était chocolaté. Pour participer à ce forum, vous pouvez envoyer vos avis, vos questions, vos commentaires au 80 06 88 54. Pour écouter le contenu de nos émissions, envoyez jeunes toujours au 80 06 88 54. Nous sommes donc euh, au niveau de la corniche Yantala. Nous parlons, mesdames et messieurs, de la montée des eaux du fleuve. Comment les jeunes jardiniers s'adaptent-ils Nous sommes avec Rachid. Rachid, il est jardinier. Nous sommes aussi avec Ismaël de Save Environment. Ta, Rachid, quand Haroun Arangwa, Arante Asar Bob Miola, Wato Kankina Haroun Arangwadin, Matkinano no Aran Famille de Aran Checho Fondo, Pia Wata Nere Yanno Nufuro. zama aro zuwaro ya go haro kiro mat no ake te faman dirse wato kankin haro furo ta ro newo zama ayo kute hin kono gaisa ay gon ganda ay gon beni ni gon ganda ni gon beni o ayo kan haro furo ay won ganda hmm. ganda palaira hmm. kulu ayi ay won guduron wo cir palaira no hmm, nu zuru o ayo ay go dannon parce ka haro cirbor guduma o a singiteme oh, <laughs> maike baygo mawane ɗo basir fandi ja <laughs> to rashid <laughs> oh. matkinano ni core ciyaɗa kayen sindi nongu fo kay zurguye nugoga die nugoga mare ngay wo o jaray a hingi no palayan mhm. jaray mo ikoy gisobe ngay won goyen ceci kwarara cindo ikoy ceci windira goya cine cindo ini ngay won jine sam ikoy ngay won fleur yan taye il faut di fo les trucs comme ça bon il mon gorday quoi Ismaël, <laughs> vous avez certainement écouté avec attention le jeune. Ils ont rencontré pas mal de difficultés en ce qui concerne leur activité sur le terrain. Vous êtes plus dans la prévention. Est-ce qu'après les inondations, vous, en tant qu'activiste, vous avez été en contact avec euh, ces jardiniers ou euh, ceux qui œuvrent dans ce sens est-ce que vous avez procédé par des sensibilisations parce qu'il avait évoqué eh, tout à l'heure des facteurs et parmi ces facteurs, nous avons des facteurs qui sont eh, bien sûr humains. Est-ce que vous avez été en contact avec eux pour plus les prévenir avant même que la catastrophe euh, n'arrive Non, on n'avait pas entrepris une campagne de sensibilisation à l'endroit de ces Donc on doit le faire sur l'émission, Ismaël. Bon, voilà, je pense que... il faut qu'on le fasse pour prévenir d'autres <laughs> catastrophes. C'est un, excellent euh, canot de communication et de sensibilisation également. 47 radios partenaires écoutent. Voilà, donc euh, je pense que sur la base de, de, la petite expérience que nous avons dans le domaine, euh, en fait les facteurs sont toujours les mêmes. C'est vrai, le changement climatique, il est là, mais même le changement climatique, il y a des causes anthropiques encore qui, qui font que les conséquences liées à ce changement climatique soient beaucoup plus graves, beaucoup plus impactantes. Voilà. Il y a également des causes anthropiques qui accélèrent souvent les impacts de, de ces changements climatiques. C'est quoi maintenant les causes, ces causes anthropiques Il y a par exemple la déforestation. Le Niger est un pays euh, sahélien avec très peu de couverture euh, végétale. Et le peu de couverture végétale que nous avons subit une pression anthropique plus ou moins euh, énorme, significative. Les gens entreprennent une coupe abusive de bois, sachant qu'on a, comme je l'avais dit tantôt, des ressources forestières limitées et fragiles également. La coupe abusive des bois ou la déforestation, vous savez déjà ce qui ça engendre, On ça provoque la, sécheresse, ça facilite également les inondations, l'érosion et tout ce qui s'ensuit. Et c'est quand il y a érosion qu'on parle souvent d'inondation. C'est quand il y a ensablement de, de fleuves ou de bassins versants qu'on parle également des inondations. C'est quand on parle des inondations qu'on parle des impacts ou des coûts engendrés ou des conséquences euh, par ces fléaux. Il faut que les gens sachent que nous sommes étroitement liés avec la nature nuire à la nature va provoquer des causes irréversibles sur nous ou des conséquences irréversibles sur nous et qui vont nous coûter très cher tantôt économiquement, matériellement et même euh, d'un point de vue humain. Ça engendre des morts. C'était les facteurs humains hein, tout à l'heure que vous venez à l'instant de citer. Alors Ismaël, partons toujours dans ce sens. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont aussi victimes, euh, euh, n'est-ce pas, de ces inondations parce que quelque part on parle aussi de l'ensablement du fleuve. Vous pensez que partant déjà euh, de cette émission, euh, un jeune activiste que tu es peut nous proposer euh, des solutions pour qu'éventuellement cela ne puisse plus jamais arriver, puisque vous êtes plus dans la prévention Effectivement, oui. Oui. Tout à fait. Mm. Bon, je crois que le premier point serait de faire un plaidoyer au, niveau des autorités politiques. Exactement. Pour désensabler le fleuve et les bassins versants. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut également qu'on parte sur des solutions fondées sur la nature. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire la sauvegarde et la restauration des écosystèmes fortement ou dégradés. Je m'explique. Euh, en restaurant les forêts, par exemple, en restaurant les forêts, nous pouvons prévenir de nombreux problèmes dont les conséquences touchent à la fois euh, l'être humain, mais également la nature les catastrophes naturelles. On parle de catastrophes naturelles qui est quand ça touche de manière beaucoup plus précise, qui est quand ça touche l'être humain. Si c'est quelque part dans la brousse ou bien dans, une, dans un désert ou quelque chose comme ça, qu'il y a, je sais pas, un petit glissement de terrain ou quelque chose comme ça, on n'en parlera pas beaucoup. Mais quand ça touche une communauté, quand ça touche des êtres humains, c'est là qu'on parle de, de catastrophes naturelles. Et il y a des solutions fondées sur la nature, qui est le respect de la nature, la restauration et la conservation des écosystèmes, peuvent nous aider à limiter ou à prévenir ces catastrophes ou bien ces conséquences. Voilà, donc c'est vraiment l'appel que j'ai lance. Il faut qu'on revienne à cette euh, conciliation qu'il y a entre l'homme et la nature. Voilà la musique s'impose sur l'émission Tous ceux à la Fada. Nous sommes jeunes et notre source d'inspiration, c'est justement la musique. On va en pause musicale. Aïtura, il faut nous proposer ces musiques. Quand des dingo gahangan, arrosoir et gonissé, ne se mane sidi, ou atrinchena, nous gonde total power. Irgo mil comme misal ga jardine, moi go hanganirse. Ayo, Niger musique est mes amis.

tuguraga koronishi boreino tuguraga hamisa tuguraga ikombo wei boreino amisa hamisa tuguraga imeni nous sommes toujours sur Tous à la Fada, votre émission 100% jeune dont le thème aujourd'hui est la montée des eaux du fleuve. Comment les jeunes jardiniers s'adaptent-ils Nous accueillons comme invité M. Rachid. Depuis le début de l'émission, nous sommes aussi avec Ismaël, c'est notre expert environnementaliste sur l'émission tout à la Fada. Il est jeune et cette émission, vous le savez déjà, est consacrée à la jeunesse nigérienne. Abordons notre troisième et dernière série de questions, mesdames et messieurs. Selon les chercheurs de l'IRT, Ismaël, de l'ABN et de l'université de Niamey, l'accroissement de la population euh, riveraine et leur action sur les sols, l'extension des cultures, diminution des périodes de jonchère ont des impacts qui favorisent le ruissellement et les inondations. Pour vous, en tant qu'activiste, est-ce que ces changements de pratiques, d'habitudes peuvent favoriser les catastrophes naturelles qui empêchent aux jeunes d'évoluer dans les jardins comme ça se doit comment moi, euh, simple activiste, simple euh, étudiant en environnement, pourrait contredire C'est sur la base d'une étude qui a été réalisée qu'ils ont publié ces rapports euh, respectifs. Donc, bien sûr, moi, je ne peux que confirmer cela. Et moi, j'aurais aimé que un des experts, que ce soit de l'IRD, de l'Université Abdomoun ou de l'ABN, soit là pour donner beaucoup plus d'éléments de réponse et, de confirmité en ce qui concerne les rapports. Nous allons les solliciter très prochainement, Ismaël. Voilà. Merci. to rashid oui. son a yer ton do fa oh yer ne 2012 haro narangwa mm. nine 2012 banda haro ye mm. nine 2020 eh. wana mara ambon nine misali ga son go ago kame alhali ga asinda ah. ma do din ko de nugo di haro to be charani est ce que nugi ngi mil kan jardin go ni zero wara agonda avenir wala sinda niger oh. niger bon ka ar war mon war bu ya kayin kayin kul kaya kaya faraisai kayin kayin kul kaya kaya faraisai iru warse oh agonda venir zami fose hmm. bor kul kan nuwon goyono hmm. nuwon se agonda venir reno mhm. barkan tabi ke mhm. ciko mhm. a gaza da daino hanfo kulu oh. matkan te kulu niga katin niga kan niga matkan te niga gungure bumbo oh. niga gungure kan gungure moy dusadi ah, hanfo kulu to kaira shi dai mina so ifo di ifo da non ko na ime bo ndo za de kan gon de himma oh. ine anni mo no yo gabu oh ifo di ifo ni gingiti aranse kan ganan da yara mu fatta wayi dulo wara fo fodu mani gingi taran ne wai ga bai ku kan goni bi na bon ma ka ga gusa mirse irgo ceci da barki te garanga okay to gayen yin kan irwor ga ba oh gwamnato ga oh irgo fa bi ce ga mm. faba kan irgoce ci gwamnato ga mu gani ya irsi ba kala mm. am ka gudu irse solution mm. kan ganan haro asto kwar zabi jiro kan idu haro sai solution mm. amanka Mm, sanga misali gay ma haro kosere mbo al baago tona voilà. nem kandana si dumi zaro dumi jaisai haro misara mo de jina Diva. oh da haro mun hingu wadin te oh kul ne faham borkulu hingi kenga bo nga bonse oh borkul gabo ga ka borkul gabo ga kan wonde himma gabi den war ngogo ida gabi den rugo cinda. haro hinru wogo bayim kosere ersi oh haro miska da im kay de gidimaji a gonda mo mat kan gite mm. kay gi hini di kay gi ni ga haro kosare kenga na haro stordu Mm. isa kota nginno haro kai matkukan haro te la sabu ga haro banda digodin kan goyi NGS mm. nodin a gwanda gabi hari ma sote baske mm. haro kan no sote bumbo nodin sikal ganda wo kan se haron sote no ne o bena nago don kiru hal dair hin gudu digodin duma kulu a gwanda gabi haro am furu segi ka new de diga ku cebu haro sudu so kama suti ah gonda gabi ah to asingite la chronique de l'émission Tous à la Fada, c'est une affaire de Mr. Olivier. Ladies and gentlemen, recevons donc euh, les nuises via ce jeune garçon. Et tout de suite, la suite. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices du studio kalango Bonsoir également à nos amis de la FADA. Hier, nous avions parlé des 16 jours d'activisme dénommés Oranger le Monde. Chaque 25 novembre débute la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Cet événement international qui débute le 25 novembre date de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, se poursuit jusqu'au 10 décembre, date de la journée des droits humains. Ce qui pousse d'ailleurs certaines internautes à rappeler ceci. Le droit des femmes est un droit humain. Lancé par des activistes du premier Institut international pour le leadership des femmes, cet événement continue d'être coordonné chaque année par le Centre pour le leadership mondial des femmes. Dans plusieurs pays, et au Niger d'ailleurs, cet événement sert de cadre stratégique aux personnes et organisations du monde entier qui appellent à l'action pour prévenir et éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles. Cette année, le thème est Mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes. Dans plusieurs pays du monde, elles, les femmes, ont posé des revendications claires, allant à plus de rigueur dans la lutte contre la violence basée sur le genre, à plus de sanctions. Cette journée du 25 novembre a été une journée au cours de laquelle les mots viol, abus, justice, condamnations ont été beaucoup prononcées. Au-delà d'une célébration commune dans plusieurs pays, les 16 jours d'activisme sont un moment important pour agir afin de mettre fin aux violences basées sur le genre. Eh bien, je finirai cette chronique en disant tout simplement de mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin des femmes, prenez soin de vous. Bye bye. One love paix et amour. À l'instant, testé Olivier. C'était la chronique de l'émission Tous à la Fada, consacrée à la jeunesse nigérienne. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous parlons de la montée des eaux du fleuve. Comment les jeunes jardiniers s'adaptent-ils Nous sommes avec euh, Monsieur Abdul Rachidi, les jardiniers. Nous sommes aussi avec euh, Ismaël de Sèvres Environnement. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Abdul Rachid, nous au dirne nom y croit. Erne ne mi chaperse. Hay kul kanig hengi mil kan irma hengi ci émission au bon pour que que je n'aime zada. Da sandi go de kanig toro de jeune jerika. Oh. Ngay mo im himmata. Oh. Zamine la bustarifa. Oh. Zam la bo warari ngay bo kafa. Gumo hangane hanganesi. Ni yamare ngondir ban tant que jeune. Ni jeune cool. Jeune mes amis. Pat niger ke yango niger o zane kal di fata tasu dan koy e jene me ame hay ken ay e bayga mi fanda bandi tarai boba ta Aram ma ya fa ha na ta. mi fanda bandi tarai boba gidi gi koy gi subay gidi gi eh, adyanka gi subay gidi gi charberi gi kuri mun hay fo hay im kayir mu goy hmm. burkul kan di hmm. kulu kayo wal babu bata batama kan boragin ku kukwai hmm. donc c'est qui veut dire que bora kayo wal babu gonna batam kan boragin ku koy wodi yango bora sai en même temps bora yi mana gangi am ka te ai won goyo duma hmm. donc bora a gihini cinira am popor sam wala ma koy kai fondo bon da adaga se a so bai diga ni kyale ko sarai labo hmm. du bora ka yi wani dumo matuku matku kante ai kan gunwa da kanga bankare de gidan asu mungu borasi kanga fami jerwe la bo stadi rashid ya dir fam wala rashid dinay fo tirma oh. dinna fo ton ton kun sara ismaël vous avez le dernier mot en tant que jeune activiste un jeune au contact de la nature on voudrait avoir vos avis par rapport à ce que vient à l'instant de dire ce jeune jardinier qui est déterminé, qui a décidé de se battre pour ce prendre en charge et prendre en charge sa famille. Ce qu'il dit, c'est totalement vrai. Moi, je le rejoins dans ses propos. Mhm. Euh, j'ai juste quelques deux ou trois trucs à ajouter. C'est que le maraîchage, c'est un avenir euh, au Niger. On a la chance d'avoir euh, le, fleuve qui traverse une, partie de, de notre pays, une partie importante, la 550 c'est quand même une, distance assez importante. Euh, plus on s'y mettra et plus on produira. Bien sûr, il y a des techniques, il faut il faut qu'on investisse à la fois des compétences euh, matérielles, techniques et financières. Mais une chose ici, c'est que si jamais on, met l'accent sur, cette thématique ou sur ces domaines, ça va nous épargner euh, euh, l'importation massive des produits maraîchers euh, venant des autres pays tels que le Burkina ou bien d'autres, à titre d'exemple. Ça va créer de l'emploi également, surtout pour les jeunes, mais également pour les femmes, ce qui va beaucoup réduire l'exode rural vers d'autres pays ou bien vers des capitales urbaines ça va également euh, réduire, comme il l'avait dit, euh, le banditisme ou bien euh, certaines délinquances. Et plus encore, ça va contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Merci Ismaël sur ces propos. La machine et les humains prennent congé donc de vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Hey